président Macky Sall. son excellence xaaral son excellence bala ñu ma tëj pour man gaay yi man man comme ñom man ñom upp doole. te man gor goru la xam nga ñom mais ku deful dara kenn nga def dara non non yé non xam nga ay ñom caat ak simo ñom yalla may na leen tour bu ñu leen jàppee léegi dëkk bi ñëpp dañ xam jappé lé waye man fa ma dëkk sama roq bé dinañ ma japp fii ma yow xam nga kenn du xam sa fa ma nekk. donc baal may wax son excellence le président Macky Sall. xam nga. euh président Macky Sall dafa mës a wax benn jour. Mhm. d'ailleurs il s'en est même glorifié. mu ni moom dafa bokk ci benn askan. Mhm. chez les Peuls hein, disons. waay que boo xam ni devant l'adversité il préfère la mort mais il ne recule pas. Mhm. te bu nit ñi bëggee sax nañu dem laaj ci affaire Fouta. gis nga suñu borom nguur bi ngand ngandul. dafa mel ni ci jamono yooyu rek. ci la suñu borom <laughs> dugal affaire Sonko bi. ci ak affaire Sonko bi. Mm-hmm. son ko pousse ko ba ca miir ba ba mu sës ci miir bi te pourtant il n'a pas choisi la mort il a choisi la vie. Mm-hmm. gis nga c'est-à-dire que affaire sunu borom c'est-à-dire que euh, avant may ñëw ci la la réflexion politique. Mm-hmm. je veux dire la réflexion mystique aussi. Euh, sunu borom moom rek moo yeyoo ngand ngandul. effectivement waaw jaam bu ngand ngandul. ah mu wan la ne doo tuus. président Macky Sall jamono bi wax loolu ak jamono ju yalla di indi Sonko. Hmm. presque Sonko daf ko xaw a humilier ci ben côté buñu ñu wax jooju tegal li wax. Hmm. Sonko seus na ba ci miir bi Ça va reculer reculer je vous ai compris woote point de presse Etc. Etc. mais est-ce que aussi loolu pression religieuse non du pression religieuse au contraire président Macky Sall lu muy euh du Ablaye Wade quoi ci à côté religieux. Hmm. xam nga Ablaye Wade mag la mhm. moom am na fu mu religieux yi mhm. mais président Macky Sall bi mhm. religieux yi bu ñu koy wax dara day fekk aussi mu nekk ci ses propres intérêts su nekkul ses propres intérêts du du ko def du affaire Khalifa Sall mi ngi fi affaire Sonko mi ngi fi ak yeneen ak mais qui disait que nos chefs religieux sont des citoyens ordinaires ça veut tout dire mon gars. Ouais, mais mais Ousmane Sonko aussi am na leen ci religieux tamit. non ñoom ñaar ñëpp ñoom ñaar ñëpp mais là on parle on est de l'analyse de. Ouais. Euh, du président Macky Sall. après où mhm. tu ci quoi dis mhm. le bi là mais pour celui qui connaît un peu moi je suis peu là. la dafa dogal mon zone ba ma dëkk. Mhm. président Macky Sall aussi fa le dëkk. Euh, j'habite à Ndiamsiwol. Euh, lui il habite à Ndoulou Madji donc tout ça c'est le Bosséya. donc a beaucoup zone bi ñu dëkk quoi pour ko xam pël dëgg pël mhm. boo ko defee benn affaire mu metti ko mhm. tôt ou tard dafay fayu donc ci dynamique boobu le président très bien mhm. c'est-à-dire que daf il il nous a semblé que depuis événement yooyu am le président de la république acte yi muy posé intègre fayu bu muy préparé Mhm. qui ta au centre parce que décidément le petit la un peu traumatisé Je vais exemple mhm. mhm. il y a eu un failles sur le plan sécuritaire ça veut dire que nos hommes euh, nos hommes de sécurité nos, hommes les forces de sécurité ils étaient en sous-effectif par rapport aux ratios internationaux première chose ils étaient révélés que on n'était encore pas très très très équipé. Mhm. boo ngeen xoolee bi événement yi président Macky Sall d'abord, nous attaqué mais le cadre institutionnel. Mhm. muy armée mais police mais gendarmerie il y a eu des remaniements. Mhm. à leur tête. Ouais. comprendre mu xaw a euh, ces hommes de confiance la fa ñi voilà c'était des têtes brûlées excusez-moi le terme. ñu dégager première chose deuxième chose dans l'intervalle, euh, le, président Macky Sall a renforcé les moyens logistiques de l'armée, aussi bien de la police, de la gendarmerie que de l'armée. Les Est moyens que logistiques. Pour préparer quelque chose. Voilà, ben, pour l'an. Mm-hmm. Troisièmement, les effectifs. On a même recruté quelques, presque 3500 policiers, euh, comme on a dit. Donc, recruter les effectifs, euh, les moyens, c'est la partie logistique léegi nak mu des nag euh, l'élément conjoncturel Té so xone depuis un certain temps. Mhm. élément conjoncturel bobu lay gars yi bëgg a Té fi bo boo élément conjoncturel bu moy mhm. la la situation favorable. xam nga tay ji dëkk bi xaw na métti façon metti boo xam. Mhm. nit ñi en ont tellement ras le bol. ñi ñi sont tellement fatigué boo fi laalaatee affaire Ousmane Sonko rek sama classe yi nga xam ne amuñu dépense ak y a yi nga dañu am problème luyaas. Mhm. ñoom seen yoon ne ciy dugg comme donc kon donc jamono ji le moment est important pour. le régime mhm. très bien parce que fi si tu nii surtout élection yi ñu jëm ni am na kaawu Sonko d'ailleurs c'est ça qui qui crée le dilemme sur l'affaire Sonko. Mhm. c'est que l'affaire Sonko est à la fois une affaire juridique et une affaire politique. pour l'affaire juridique. on ne peut pas le passer par perte de profit. Parce que déjà, il y a eu 14 morts. Mhm. Ensuite, il y a eu des dégâts matériels, des, destructions sur le plan de l'économie. On peut, on, certainement, ici qu'on a perdu presque un point de croissance. Mhm. Donc, à fin de mieux, on ne va pas dire tout ça pour ça. Donc, à la coulée, il faut que la justice se prononce. Parce que l'affaire met en place deux citoyens sénégalais, dont mhm. l'un est député, l'autre euh, citoyenne sénégalaise. Donc, à la coulée, c'est sa version contre l'autre version, etc. Il faut que la justice vide ce dossier. Comme mais on dit droit. mais pas ji ñëpp dossier bi dafa mystique. parce que gis a juge bi nga xam ne dossier war a dossier bi kuñ fa joxoñ nga nga peut-être que bon vous euh, comme je suis pas un <laughs> mystique hein, <laughs> ça va être un peu compliqué mais euh, disons que sur le plan juridique et politique après on, pourra revenir sur les aspects mystiques effectivement. Euh, donc affaire juridique bi dañ niveau il faut que le dossier soit vidé comme on dit en droit. Mhm. ñu ko rek en apesanteur. non mais il faut il faut crever l'abcès Les juge droit qui qui mo togn ki affaire da nga ni Sonko Sonko ci uh-huh. mom c'est favorable pour ñu. a absolument légui nak dafa melni régime bi euh, dañuy nekk di togg motax gaaw passé mhm. bi préparé. Hmm parce que ni ma gisee situation ce qu'on appelle les pièces du puzzle. Mhm. ñu koy teg par ndànk-ndànk temps yi léegi yéen a ngi dégg maam aussi sa génn na wax ci souvent boo ngeen xoolee gars yi dañuy génn di waxaat ci affaire Adji Sarr de manière très. Euh, mhm. beneen bi tamit mooy euh, su ngeen xoolee fan yi passé mhm. ki ñu gasto Gaston producteur. Euh, de lutte. moom légui il affiche son soutien président clairement au président de la République. Mm-hmm. d'ailleurs États-Unis bi ñu mujjee dem bi président mujjee dem euh, moom moo yóbbaale woon yenn garde rapproché wu Macky Sall ay ñoom Abdou Diouf écurie euh, écurie est ce que le président. soxla non oh, oh, non ba nit ñi sax naan parce que bon. comme est ce que nekkul ni c' C'était pour préparer une réponse. waaw ba pare sax su ma gars yi comme ma nekkoon aux États-Unis je suis yi nekk ma di ma wax euh, New York di ma expliqué mais nous comprenons comprendre nous ñuy jëlee ay nervi <laughs> de Dakar jusqu'aux États-Unis donc vous ngeen euh, là on est dans l'analyse xam nga Gaston Mbengue tëgg na pour euh, programmer combat pour Balagay. Mm-hmm. Balagay, euh, Bombardier. en fait il a fait signer à Balagay, je pense quatre combats si je pas si. quatre combats. Des mm-hmm. combats daanaka dañ ko étaler d'ici à 2023 2024. Mhm. ça veut dire que dafa mel ni comme si dañu nar a utiliser après ce qu'on appelle le sport euh, national, national, traditionnel mm -hmm. à des fins politiques euh, de diversification de euh, comment on l'appelle euh, de diversion de masse xam nga tey jii dafa mel ni xam nga sénégalais yi mhm. souvent dafa am ñaari affaire ba ñetti affaire yoo xam ni oh, bu loolu taxawee Mm-hmm. daanaka yow loolu rek la ñuy gis. Mm-hmm. muy diine ak sport. Sénégalais de. surtout ñoom diine bu taxawee ak sport te surtout làmb ak mm-hmm. football. loolu bu ñëwee daanaka dañ koy accorder importance. léegi dafa mel ni comme si régime dafa nekk di tëgg avec peut-être la complicité de Gaston. ñu wut benn activité boo xam ne après dinañ mën a entretenir la grande masse. ba nga xam ne bis bu ñu réglé contexte boobu. bis bu ñu nee cas Sonko exemple pour mu dem wuy mm-hmm. gars yi lundi mardi mercredi jeudi vendredi ñu gars parce que etc mm-hmm. donc ñu bàyyi ci c'est mort pour etc donc dafa comme si gouvernement bi analyser parce que c'est inédit dans l'histoire du Sénégal benn mbër euh, bu combat da ngay bëre. Mm-hmm. combat mais d'autres, trait ñu quatre combats dans l'année donc ça veut dire que si soo bombardier yo bombardier où est le sens même être un combat mhm. donc est-ce faut faire une commune est-ce que nekkuñu ni après mhm. genre prétexte mhm. de de diversion de masse pour pour le ni chasse

affaire Sonko bi résister woon 3 jours 4 jours cette fois ci nous résister 7 jours 8 jours et après les Sénégalais vont passer à autre chose Sénégalais non noonu la yalla bindee quoi bu événement joté dañ à 1000 mhm. mais plus qu'à affaire bi di euh, pression bi di di di il m'a semblé que dans l'autre temps de Sonko ils savent que il y a deux temps forts qui affaire bi il y a le temps fort politique mhm. et le temps fort judiciaire mhm. comme ils ne maîtrisent pas le temps fort politique ils veulent maîtriser le temps fort judiciaire On a les gars de Sonko ils appuient pour affaire justice bi mën a dem Mais ñu y a xam mais ñëlee nag ñoom dafa mel ni dañoo ci justice bi préparer un un atmosphère ou bien un, un bioclimat politique Bo xam bis bu ñu mm. mais en tout cas il affaire a am ci mon ami. et c'est là où je vais chuter ah euh, président Macky Sall le président Sonko. su qu'on mm-hmm. est huit euh, mars yi passé. Mm-hmm. dañu un match nul xam nga lu ñu defee match nul. Mm-hmm. mooy Sonko mujjul dem kaso. déjà c'est une victoire en soi. président Macky Sall mujj na conseil de régime. il était à deux doigts euh, voilà de soulèvement etc. cetera. donc match nul lañu mais bis bu ñu laalanteewaatee. Mhm. quelqu'un va disparaître mhm. définitivement dans la scène politique sénégalaise mhm. ou bien Sonko dans ko jàpp mu en ce moment ça n'est fini pour lui et de sa carrière pour 2024 ou bien président chance moi à mon nii pas ko est-ce que vous bu baax qui est ñaar kenn dana soit président ñu président ça démissionner il faut même pas l'exclure on a bi pouvoir On a loo mais nous la mm. il faut que il faut que nous victoire.